Free Money Mastercard disponible dans les agences et boutiques Free, mais aussi sur votre application MyFree. Avec carte Free Money Mastercard, des Free si ça calpe. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Floria, Floria. fourno fourneau jambar ak canal, programme NDF Fonds vert climat pour coopération allemande GIZ Royal Horizon Baobab, fil free, home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon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 kapsi kapsi kapsi kapsi welcome to my dark teewal si kap teewal sama gox si kap bi dëkk neexee ko nandi te ko jaay brek fi la lépp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 deruñ daara waaye di lañ def jël ndaare manqué. waaw mais woowaat leen nga xool fu ñu toll. kan kan lay woo ma fit dama koo may da nga dof. ni moom gàcce la ñëw nañ mais nañu diin de ñàngal la. <laughs> Ndeye. Zézé naka la baay. c'est cool ah? amee laay ban looy yéen nan ngeen doon taxawaalu ba heure bi ba fari xooj leen ah laay dafa sedd may ñu yéeg eh, ban yéeg eh, taxawal ni ngaan yéeg sur lai, xama lan la gis nga tay libas Alioune Cissé la amal rendez-vous <laughs> moo tax Cissé. yow eh rendez-vous heure bi ak Alioune Cissé yow bàyyi si xel mi ngay fooye de di taxawaalu ba heure bi nan ay rendez-vous Alioune Cissé mais boy lai, xol, culul tay xol ñu ñoo ayé ñu ñoy Pablo yi xol. Ba ñu yobulen Eh, yëg leen yóbbu leen. Hmm. Eh, mais xool. balaa eh, war dong. da ngay ni da ngay ni may may gelle ah wala boog ah jiwu mi nii mënul lekk gratuitement de da ngay ni may may xale waaw instant dama ko soxla. mais père looy de fi heure bi mariage bi dire non? mais père foo de. mais tout naturellement je réside au palais <laughs> palais muy <laughs> teg nii <laughs> mais non eh, mais mais pas bien, nekku fi de léegi laay comme que nekku fi nañ leen dem instant bi guddi na ki ko xool sax xam ay nagam nan si wuñu nañ leen talal yeen mo len bàyyi nit boy ko comprendre yakani yaakaar ni dof la ah. ah wala mu nek pa bu réer rek. mais vous ne me reconnaissez pas mais attendez je suis votre président voici ma carte de membre UPS. Léopold Sédar Senghor, membre membre fondateur de l'UPS et président de la République. <laughs> mais oui. Mais qui de vos types c'est Mais d'où venez-vous, jeune homme Qui Ce n'est pas un secret polichinelle. Je suis Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal. Mais en revanche, si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici ma carte nationale d'identité. je suis à court d'encre encre pourquoi il m'en faut urgemment encre pourquoi mais pour écrire le traité que je dois adresser à Mamadou Dia. booy booy ubbi bunt bi. Eh, père dougal. déet Boy, père dougal, dougal, dougal. yow dugal. booy laay est-ce que lii wóor na. laay laay xam nga sa fit dafa bëri kii da nga xam lu ko dal kii ban genre nit la. yaa ngi ko wóolu nii kii lu ko dal. merci jeune homme votre courtoisie me comble. booy laay dama lay expliquer benn affaire. lu munti xew da nga yow la bu ma expliqué. xool teel a oto bi ñu yow da ngay déggoo teel a oto bi ñu dem. laay nag sa fit tey la may door a wóor. eh noppi sang gaynde. teel a oto bi ñu dem. le Président, <laughs> soyez les bienvenus. Hein? On va vous préparer un très bon plat et vous allez manger. Hein? <laughs> Je veux juste une fourchette et un couteau. Ah oui, c'est pas un problème, fourchette et cuillère. On a l'habitude de manger comme ça, avec ça. Hein. Ah oui, Ndaï va vous apporter ça tout à l'heure. Euh, là, ça ne doit pas Sénégal di ciow yépp. Tay la koy sogo gëm. Yow sa dof au man ma mais papa yow la ngay wax nii man néewuma la kii mooy Senghor dama la wax ne la ruuxu Senghor maanaam esprit Senghor moo dugg ci moom pour mu ñëw Sénégal am nga yenn xat-xat yeeg yi ñu fi war defaat ak yooyu yëpp mu expliqué ko ñu ko pour ñu mën a xam ñu tegee dëkk bi ci yoon. foo ngeen gëm mi tamit lii mbiru yàlla la quoi ci dafa ñëw pour eggali mission am nit kamit mën a dem ñëwaat ah am yu yoo xam ne neex ko woon si dëkkam mu dee ñëwaat ci esprit beneen esprit ça arrive quand bëgg nag.

da ngay tibb ci xaalisu dëkk bi di ko askan wi ñu ne danga baax alors que c'est la caisse noire. ah monsieur le président bien parlé di nga li nga wax ni ci sama combat lu bokk dëkk bi nit ñi dañuy jaawale xaalis bi nekk seen poche ak xaalisu réew mi ba dañ koy jël di ko pasar pasaree di ko maye di ko dugal ci yeneen ak yeneen te xamuñu ni xaalisu askan bi lañ yor. C'est bokk na sama combat monsieur le président franchement merci hein, merci beaucoup. lay ki limi wax ne yow koy ah mais yaay li mu wax fii dëgg la qui kii moo demoon wax ak tubaab yi bëgg ñoo def def ñu ay poupée ay xop ki la lay ma ko gëna lay ma gënal ñëpp la ah oui monsieur le président ah vous vous avez dit que l'an 2000 Sénégal serait comme Paris il y a 20 ans 22 ans passés hein.

Euh, c'est des crevettes c'est du poisson hein. tu aimes bien vous le trouvez comment. mais c'est soigneusement préparé c'est très copieux c'est. <laughs> c'est littérature. Mange bien, Monsieur le Président, mange bien. Ah j'ai mangé sans commune mesure, sans fine bouche, disons sans façon. Je suis vraiment rassasié. Ah oui, Oh, le Président, je suis content. Lail, puis-je disposer d'un stylo et d'un cahier pour écrire le mémorandum. Ah, mais c'est pas un problème. Tout de suite, monsieur le président. La voilà. Hein. Donc, je vais aller chercher un cahier pour vous. Tout à l'heure. le savez, le Sénégal n'est plus un pays pauvre. Ah, mais non. Le développement. Le chef de... Bonsoir, monsieur. D'abord. Mais regardez-moi ces fautes. On dit grâce à. Aussi, le Sénégal est un pays en voie de développement. Ce parvenu fait le tour du monde pour former une phrase. bonsoir mais tu xam nga ni ñoom ñun rek la ñuy nax ñun ñi nga il n'y a plus de bons journalistes il n'y a pas de vrais communicants. Pulo Pulo jaay foofu kay waay waaye war naa son. am na fi am Vamos a señalar. mais gars yi amoo yéen kay ah. mais jëlal lii produit local la après Sénégal lañ ko defaree. non mais mais amoo yéen kay yu am ay ay ay Sadio Mané ay Youssou Ndour ay Cheikh Anta Diop ay référence quoi. non non lii rek moo fi des. mais alma ah, ah, c'est am ma choix quoi. ñaari ngay jël. il faut ngeen xool li ngeen def quoi parce que tamit ay élève ñu éducation bi élève yi koy jàng bu ñu koy xool sax mën a gis ay références quoi ñoo xam ne tekki nañ dara dëkk bi mais xoolal fii xoolal kii ay match allemand kii moom xam nga mooy loolu. mbay sax dof la mais bëri na wax mais tey na y' a pas le choix quoi jël ay kay taf ci ay dof. non. Les morts ne sont pas sous terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bas qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les, morts, ne sont pas morts. <laughs> Bira Godio. Ah ouais. Il est bon. Mais je suis le meilleur. Ça n'a tout l'air en tout cas. <laughs> oh Paris. Ah oh Versailles. Oh, le Châtelet ah la Pigalle, le 18e, barbé! Oh là, et puis la fumée qui sort de ta bouche quand tu parles ah là Paris, c'est une vie lumière, c'est quelque chose, hein. <laughs> bah, Comparé à ce là ce pays n'est que l'homme de lui-même. Mais pourquoi êtes-vous revenu Je sais pas. Et puis, avec trop de complications. Ma dernière année en thèse de doctorat fut catastrophique. J'ai tout essayé, mais la situation était irréversible. Mais quelque chose est très sûr. Je vais y retourner, c'est sûr. Euh, j'arrive. Ok. Mais c'est monsieur intéressant. Ah là là, ça, ça me rappelle le bon vieux temps. Paris. <laughs> kër gi amati na gan. mais attendez femme nue. Hein? femme noire vêtue de ta couleur qui est vie de ta forme qui est beauté. <laughs> père lu tax nga mais j'ai dit femme nue. kan moo fi def taatu neen ana tat. mais xoolal amul mais de.

xam nga fi Sénégal. mais les xale yi dañu ignorant agressif. le fii dara changé wu fi de li fi bàyyi mo fi nek ba ci bu jën Penda Mbaye bi bi nga fi bàyyi mo fi nek ba tay hein ah. teel sa kaye ni mais qui est celui-ci

de naa ni ngeen l'âme. laamee génn leen détails détail yooyu minimum de respect Qui c'est le président Léopold Sédar Senghor. minimum de respect Boy oh, minimum de respect. aussi boo foofu laa ah, Senghor man. mais boy laaj. là, déglu ñu tu n'as pas compris en fait. mais que faites-vous là à cette heure-ci étant jeune vous devriez être au lit. Demain, il faut aller au travail ou à l'école. Travail Père, vivre au Sénégal, ne serait-ce que ça, hein, devrait être inclus sur le CV. Car c'est une compétence. Nous avons une dara, père. un job, nous dara. Oui, je confirme ce que tu viens juste de dire. Boy. Mon tchac tchac là, un bout dans livré. Mais le meilleur d'une essence. Ils ont raison. récemment, j'ai eu un travail, mais c'est pas, pas trop ça. Quand je suis venu, ils m'ont dit de faire la ataya. C'est ça, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien.

allons à Sandaga. Nous allons aller voir Mamadou Votre série revient après la pub. La lumière du Sénégal, votre partenaire de confiance.

quelle hausse des prix. Ah oui, hausse des prix, hein Moi, je n'ai que ça sur moi, hein Eh, mais non, monsieur le président, les gens du coup, non, les deux tout le C'est les beaucoup de gens du coup Non, les amateurs fait actuellement ni. Quand l'esprit réunit, il Yag Yag, Monsieur le président, nous on tout ça me fait plaisir de marcher. Ah oui. C'est bien de marcher. Ah oui, mais c'est catastrophique à voir. avec tout le respect que je vous dois Li moo tax war sama combat Li monsieur le président regardez-moi cette jeunesse on a besoin de cette jeunesse pour développer le Sénégal mais comment faire mais mënuñu si dara parents yi nous war a mettre dans de bonnes conditions mais ils ont pas les moyens pauvre Sénégal donc monsieur le maire vous foog ay cumbukaay ñoo yor dëkk <laughs> mais évidemment monsieur le président comme vous voyez vous faites ñi ñuy teg suñu plan su réew mi conviction xamuñu dëkk bi lu mu laaj ak lu mu laajul dañ fa toog noonu dañu fal leen te jëm mais li la ñuy ah? Ah? Hein? dara mais regarde-moi cet immeuble c'est pour le ministre Doudou Konaré mais non oui <laughs> mais mais un ministre de la République on est en Afrique tu imagines un ministre de la République qui détient cette fortune faut askan ah oui ah, en tant que président on me sax kër vie. ah non mais <laughs> monsieur le président je vais di ma quoi en fait eh! <laughs> ah, si si la grande bâtisse de Sandaga. La grande bâtisse Mais c'est rasé, hein Rasé Mais qui a eu le culot de raser Sandaga Mais il y a des politiques politiciennes. Il y a des rasé, hein Il y a des Vendre Sandaga Mais bien sûr Pour y aller, nga Sénégal politique qu'est-ce que ko La politique ne peut pas tout faire. Mais elle a ses avantages et ses bienfaits. Comme quoi Le multipartisme, le dialogue interreligieux, la parité. Mais la ngeen di niveau bi te mu leen làkk làkk làkk bu ko defee Sénégal lambada bi xam li di multipartisme ci Le multipartisme, c'est le fait que chaque individu a la possibilité s'il le désire, de créer son propre parti. ku créer ce parti politique amul conviction amul dara dóor kese moo a créé. koy créer nous lu dul dóor Il askan bi def loo jeunes ni rien rayante seen biir lu ne ñu dugg ci te que tout est faux un intérêt personnel que moo leen ciy dugal. je te l'accorde Laye. mais mais c'est Mamadou Et bien sûr c'est Mamadou Dia. Bonsoir, Lai. Bonsoir, Mamoudoudia. Bonsoir, Léopold. Comment tu vas Je vais bien. Voilà, Mamoudoudia. Je vous remets ce moratoire que j'ai signé en cours de route. J'espère que nous serons d'accord dans les conditions. Baliberne, Baliberne. Ne la donne pas raison, Léopold. Ils veulent nous euh, diviser. Ne laisse pas faire. Écoute, Mamadouja. Je sens l'ampleur de ta foule. J'ose espérer que tu reviendras dans tes positions. Le temps que nous négocions une indépendance en douceur. Mais yo, tu me connais, xam nga li ma mën ak li ma mënul du ma a jël intérêt Sénégal hein di ko euh, sacrifier euh, avec mes ambitions politiques dëkk bi yàqu na rien ne va plus. parce que on nous a divisé. yéen ñaar da ngeen waroon mel bu ngeen ko meloon Sénégal lu mel ni mu mel parce que lu baax ci yéen la baaxee mais aussi lu bon tamit ci yéen la bonee c'est bien vrai combat politique ci biir réew dafa yoon la mais warul tax nit ñi di ñàkk seen bakkan ah oui monsieur le président bu ngeen déggoo woon tey politique Sénégal bu mës a am problème kon nit ñoo ngi ci jàmm ak salaam. je suis désolé Mamadou j'ai pas le choix je n'ai pas le choix. bonsoir monsieur. Ah, bonsoir monsieur. Euh, monsieur montrez-moi votre pièce s'il vous plaît. Ces pièces. Doucement, hein. doucement, on ne veut pas d'une police agressive. Hein. Oui, c'est ça. Bien vrai que vous veillez, sur notre sécurité, mais au calme. Hein, c'est ça, oui. oui c'est ça. Oui. Bah, Donc, deux cubes. Oui, c'est ça, c'est ça. Votre père, monsieur Léopold la seigneur c'est pièce googu là-bas c'est bon. Mes partisans m'avaient averti que ce rendez-vous était un piège. Je n'y ai pas cru. Vos pièces, mon cher. Mais, hey, hein? ce pièce-là, là, là. Ah, mon pièce. Et puis, il un autre. Mamoudou Dia. Mamoudou Dia ci yow. le Paul tu eh, m'as trahi tu m'as trahi le Paul. Pardonne-moi, Tu m'as trahi Je n'avais pas le choix, Momodou. Je n'avais pas le choix. Mais je suis désolé. Je n'avais pas le choix, j'avais pas le choix. Eh, Là, je suis vraiment triste pour Maman Mais il ne m'avait pas donné le choix. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Là, je vous remercie. Je vous honore avec ceci. Vu tes ambitions et tes objectifs, je sens que tu deviendras quelqu'un dans ce pays. Mais dans l'obligation de rester fort et humble dans tes idées. Et tu parviendras à participer au développement de ce pays et à aider à l'avenir de notre cher Sénégal. Mais, monsieur le président, Je vais au palais.

mais mais non. monsieur le président la ngay def fii fii que nga fi def euh, à la guerre 39 euh, 45 euh, je fus tout pour prévenir de Gaulle. ba Léopold tuddul noonu de sam papa Albert la tudd mais merci de nous avoir permis de le retrouver voilà boy il a laa doon expliqué des ba bi moo réeroon numéro bi ñu doon c'était pour ça quoi gars yi xool pare dañ ko récupérer booy mais non qui c'est normal? mais ki lui, muy wax nii il faut ngeen comprendre bien affaire sam papa bi sama yaay gaañoo ba léegi day absenté di ñu yi dafa Alzheimer nga naan Léopold. mais madame Alzheimer ça peut se comprendre quoi mais li ngeen di def nii c'est pas sûr lii wóorul il faut l'internet. eh yow yaay kan ba ñuy wax ñu internet pa bi ñun xamuñ ay affaire internet yooyu de kii dañ koy téye ci kër gi bu lu yàlla bu ñëwee lu mu def baax na kamay wax waxu internet. pa bu ñu defati lii. Ce homme, battez-vous. La victoire est proche. Signez Léopold Sédar Mais non. Ah, mais putain. Ah, non, je comprends pas quoi. Mais boy, j'appelle mais boy qui c'est, là Mais Senghor Mais yo, y'a que Mais tic tic. Mais non, les morts sont pas morts quoi. Ah. Mais non. Mais non, putain. Pepsi